Salut les amis de l'eSportivier, et de Bravo Show. Merci encore de la confiance renouvelée. Merci de Merci Merci du et des abonnés, merci également d'y bail, les commentaires. Plaisir renouvelé chaque fois d'y partager gain information. Inbox Sénégalais, fait folle Montenegro, 14 régions du Sénégal. Rukhrukhari, Gorgokhari, ñi ngi leen di jaajëfal ñi nekk également ci lal hôpital yi ci kër yi février, feebar yàlla na suñu borom fëgg seen bopp ñu wér ak jàmm ñu nekk ci kaso yi. Ngeen xam aussi erreur judiciaire ak génne ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot de dëddu àdduna suñu borom xar leen àjjana fi daw si te yéexee Réunion. on avance ensemble dans la magie de Baba Show et les sportifs l'actualité on continue gay actualité New ñu fas yéene qui dit donc qui dit Henrik vers la Juventus de Turin euh, Ronaldo Messi record euh, qui dit Raoul un problème du côté du Real avec le Sénégal qui atomise le Rwanda pendant ce temps Kingham Bayern Munich d'Alidor 3 buts à 0 Osbourg grâce à un triplé de Kingham euh, qui qui dit Harry Kane qui a septième triplé depuis Beaumieu du côté de l'Allemagne donc Harry Kane l'anglais Mingham nga c'est 23 buts et 9 passes décisives en 22 matchs Diganté 2024-2025 buts, C'est phénoménal, c'est stratosphérique ça. Le numéro pour l'attaquant anglais donc Sir Harry Nico à Angleterre ak donne Tottenham pendant ce temps on que euh, Pierre-Emerick Aubameyang un def bu ki nga donc sango coup hein. donc ñoom nag Al Khatia ñu daal Al Nasr à domicile deux buts à un fait que c'est l'un da leen def Cristiano Ronaldo moo qui euh, a donc Aubameyang aussi moo joxe le but de la victoire pour cette équipe de Al Khatia. Le prince du parc, c'est Kellen de Joao Neves, le joueur portugais. Il a été encore phénoménal. Pour moi, c'est la meilleure recrue euh, du Paris Saint-Germain. Joao Neves, il me rappelle un peu Lionel Andrés euh, Messi, Cristiano Ronaldo. 200 buts. Hein. Donc, euh, donc il, a, joué contre 200 équipes et il a marqué contre 200 équipes au total. Mon exceptionnel Cristiano Ronaldo. Hein. Il a joué contre 200 équipes et contre ces 200 équipes, il a marqué. C'est phénoménal. Hein. Donc, donc, 200 équipes, c'est autre chose que Cristiano Ronaldo. 911 buts au total en carrière, 850 pour Lionel Andrés Messi, en sachant que Messi n'est pas un vrai attaquant, mais aussi Cristiano Ronaldo est aujourd'hui le meilleur attaquant de l'histoire du football actuellement en matière de buts. Je précise, Kinak Dilamine Yamal Momnak gagna un match classique au bi du Contre Real Madrid avec le FC Barcelone nous am ñu un don Rafinha jàpp nañu Balde aussi moo tax it jàpp nañ ñu tolloog ñett ah ci ñooñ doo leen saaga ñoom ñett ñooñu aussi kii nak di Jonathan David moom daal Barça mi ngi koy gersuñ ko xool ndax ah, gannaaw bi nga xamee ne signé na fële ah, Williams ñoom dal eh, David intéressé na leen waaye nag moom contrat am juin 2025 lay jeex gars yi neen pour jënd ko ay 80 millions la ñenn ñi di laaj donc on verra ndax dinañ ko teg pendant ce temps Raoul a un énorme problème avec le Real Madrid notamment euh, Real juvénile bi ndaw yi 11 de ses joueurs sont blessés 11 joueurs de de son équipe sont blessés moo tax na moom daal ñaari góoram yi ñooy tax mu on joueurs ba tax na ñaari joueurs góoram yëpp da leen dugal kenn ki muy axe central ah, donc on fini il fait jouer même ses gardiens de but qui di Raúl González Blanco pendant ce temps nag kii di waa Juventus de Turin ñooy incité pour ñu hendrick Endrick di ñoom c'est Crystal Palace ñi ci mais comme que mon hendrick mon rek a nekk neuf bi mën remplacé Mbappé mon Real daal mon mu daal koy le Real Madrid c'est une saison prochaine Mayo Union ñu la sol euh, dinaa en ko mais ça devrait ressembler à ça ñi nag maillot bi pour ñu yàgg sur Real c'est la le maillot euh, saison 2009 2010 ñoom Cristiano Cristiano Ronaldo soloon ko maillot bu bees bi daal selon la war mel format baa ngi nii yaa ngeen mën ko gis donc lii daal mooy maillot 2024 5 bi donc ni la waramel donc ça rejoint eh bi ngeen donc sànq donc même design bu 2029 bi couleur hein. donc pendant ce temps Nicolas Jackson encore euh, titulaire aujourd'hui avec ñi donc les Blues de euh, Chelsea euh, donc mon face à Leicester donc Jackson sera à la pointe de l'attaque 4-2-3-1 le entraîneur Bitek les amis limoné connaît information ñun bëggoon jox toujours un plaisir de vous servir vous voulez di la boo vous di abonné partager liker commenter aussi ci Baba cette vidéo bi fait fa dugal